chers euh, auditeurs et téléspectateurs euh, des programmes euh, du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants et marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du numéro de ce soir, nous parlerons d'abord de la rentrée scolaire 2022-2023 au Niger. Environ 4 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants du préscolaire du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national le lundi 3 octobre. Ensuite, nous analyserons la troisième édition du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UMOA, couplée à la sixième édition du Salon Med in Niger. Enfin, nous terminerons avec le deuxième coup d'État perpétré au Burkina Faso le vendredi 30 septembre 2022. Pour euh, analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir euh, Maïmoune Ndiadou, elle est journaliste euh, indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et au Nissa, journaliste indépendant également. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel déchi Débutons ce forum de la presse par la rentrée scolaire 2022-2023 au Niger. Environ 4 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble du pays le lundi 3 octobre. Selon le ministre en charge de l'éducation nationale, les réformes engagées dans le secteur éducatif vont se poursuivre, notamment la construction des classes en matériaux définitifs pour remplacer les classes payotes. Aussi, dans le projet du budget national de 2023, plus de 78 milliards de francs CFA sont proposés pour les constructions de salles de classe. Maïmoun Diado, dans quelles euh, conditions cette rentrée scolaire euh, de l'année 2022-2023 a été lancée euh, Merci Michel. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, je me dis que ça a toujours été à peu près la même chose. Hein. C'est les fournitures scolaires, c'est les... Bon, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que pour ce qui est de cette rentrée scolaire, il n'y a pas eu assez d'engouement. Mhm. Assez d'engouement dans les préparatifs. On a comme l'impression qu'il n'y aura même pas de rentrée scolaire. Mhm. Puisque quand nous avons approché les différents syndicats, ils nous ont fait comprendre que pour qu'il y ait une bonne rentrée scolaire, il faut que le gouvernement respecte d'abord le protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et les dix syndicats. Je pense que ça n'a pas été fait. Mais quand même, on, peut expliquer que euh, la rentrée a eu lieu pour euh, le 3 octobre. Mhm. Comme on l'a toujours dit, c'est une rentrée politique. La rentrée, la vraie rentrée reste à, faire en tout cas. C'est les cahiers, les fournitures. Les élèves ont répondu présents, ceux qui peuvent répondre présent. Et maintenant, on attend de voir. Peut-être la semaine prochaine, est-ce que les cours vont débuter Ça veut que cette rentrée est loin d'être effective, c'est ce que vous pensez euh, La rentrée scolaire, c'est ce que je dis, c'est loin d'être effective en fait, bien qu'on dit que c'est effectif sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a fait sa rentrée scolaire. Maintenant, est-ce que les syndicats ont répondu présent je mm. pense que les syndicats ont répondu présent. Mais il y a eu également un boycott de la part euh, des scolaires euh, euh, des lycées et collégiens qui ont lancé un mot d'ordre de boycott de cette rentrée scolaire. Donc maintenant, on ne peut dire que ça a été effectif, mais que nous attendons de voir les jours à venir, qu'est-ce que ça va donner cette rentrée scolaire. Et vous savez également qu'il y a des écoles aujourd'hui qui, jusqu'à présent, n'y a pas eu la construction des classes pouvant accueillir l'ensemble de ces élèves-là. Mm. Puisqu'on ne parle plus de classes en paillotes, on parle de classe euh, à matériaux définitifs. Donc maintenant, il faut que l'État s'attelle à ça. Donc ça veut dire que même à Niamey, quand vous regardez, il n'y a pas eu effectivement euh, d'engouement autour de cette rentrée scolaire, puisqu'il y a dans des écoles où la majorité des classes, ce sont des classes payotes. Mmh. La majorité des classes. Donc quand c'est la majorité des classes, ce sont des classes payotes, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, on peut dire qu'il y a eu une rentrée scolaire effective puisque le gouvernement dit de ne plus revenir avec les classes payotes. Maintenant, on attend de voir. Euh, c'est progressif, c'est au niveau que c'est interdit. Oui, maintenant, même au préscolaire, même au, il y a des écoles, il y a des, classes en payotes, hum. Il y a des préscolaires où il n'y a même pas une seule classe en matériaux définitifs. Hum. C'est des classes en paillotes. Donc, <laughs> là, il faut également essayer de revoir. Hum. Si c'est, ça doit être. Officiellement, c'est interdit. Oui, officiellement. Mais dans la réalité, comme il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir le faire. Parce que moi, je me dis que si mhm. on veut aller dans cette euh, idée, nouvelle idée de construction des classes à matériaux définitifs, il fallait lancer le processus deux ans avant. Mhm. en tout cas la rentrée, cette rentrée scolaire. Mhm. mais Et aujourd'hui, ça serait avec les inondations aussi. Il y a des écoles qui sont qui accueillent les personnes sinistrées dans certaines régions du pays. Merci Mamoun Diado. Amodou, par rapport à cette rentrée, justement, elle a parlé de ce protocole d'accord. C'est vrai, quand on prend un protocole d'accord, c'est plusieurs points, mais le gouvernement essaye de rassurer quand même qu'il y a eu, par exemple, les affectations, les anciens contractuels ont été payés, il n'y a pas d'aéré. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire cette année Non, dire que toutes les conditions sont réunies, ce serait vraiment trop dire. Mhm. Parce que, même vous l'a rappelé, moi, j'aurais aimé euh, que la rentrée ne se déroule pas comme c'est la routine, comme d'habitude. Mhm. C'est-à-dire que j'aurais voulu que, par exemple, pendant ces vacances-là, que le gouvernement puisse réunir les partenaires, discuter d'abord parce que, comme elle l'a dit, les syndicats ont des plateformes de négatives, mhm. la section collégienne et lycéenne a des plateformes de négatives, se réunir, avec, ces, structures-là, discuter, et maintenant, euh, euh, même si on ne peut pas satisfaire, on sait que le gouvernement ne peut pas satisfaire toutes les demandes, mais au moins faire des promesses pour que la sérénité, en tout cas, prévale. Euh, en tout cas au début de, l'année scolaire. Même si c'est pour faire des promesses, mais au moins le, simple fait de réunir les syndicats, n'est-ce pas, de l'enseignement, la, section collégienne et lycéenne, de les réunir, de discuter avec elles sur les préparatifs de la, rentrée, les impliquer, parler de leur euh, euh, comment on appelle ça, plateforme démocratique, c'est extrêmement important. Ça permet un peu de décrisper le climat concernant la rentrée scolaire. Maintenant, euh, on a évoqué la question des, classes en C'est vrai que le gouvernement avait interdit, suite aux tragédies qu'on avait, qu'on avait, en tout cas, auxquelles on avait assisté, avait interdit justement les classes en Mais, euh, mais voilà, mais, mais, malheureusement, le gouvernement sait que c'est pas avec un coup de, de, baguette magique qu'on peut décider de, comme ça qu'il n'y a pas de classe en mm-hmm. Il faut construire des classes en matière définitive. Et déjà qu'il y a un processus, comme vous l'avez expliqué, un processus qui est en cours. Déjà, il y a des classes qui ont été construites. Et c'est un processus qui se poursuit. Vous avez parlé de combien 73 milliards ou je ne sais pas, combien de mhm. milliards. Donc, c'est un processus qui va se poursuivre et, nous espérons peut-être que la, rentrée prochaine, on va finir avec ces classes-là, parce que ces classes en paillotte-là. Le deuxième défi, c'est concernant, en tout cas, le matériel scolaire. Euh, euh, comme d'habitude, le gouvernement dit oui, tout est, tout est prêt, les fournitures sont là, tout est là. Mais moi, l'année dernière, moi, j'ai vu des enseignantes qui achetaient la craie. J'ai vu des enseignantes qui achetaient la J'ai vu des enseignants qui achetaient la clé. J'ai vu des enseignants qui achetaient le cahier de préparation. Même aujourd'hui, qui achètent les cahiers de préparation. Dans quelle localité à Niamey. dans la capitale. <laughs> Mais à Niamey, il y a des gens qui s'asseyent par terre. Mhm. Il y a des écoles, sans oublier le surpeuplement dans les classes. Une classe de 80 élèves, comment une enseignante, qu'est-ce qu'elle peut faire c'est compliqué. Quels sont les autres défis On a vu les classes payotes euh, dans le projet, en tout cas de loi de finances 2023. Il y a au moins 78 milliards de francs CFA qui seront destinés à la construction de ces classes payantes, d'autant plus qu'on le sait, chaque année, le nombre d'élèves euh, augmente. Quels sont les autres défis, Gary, qu'il y a lieu de relever les autres, les mhm. Oui, les autres, défis concernent justement les, tables bancs. Mhm. Est-ce qu'il y en a assez Parce que si le gouvernement dit qu'il y en a assez, nous allons faire des reportages hein, pour constater. Mhm. Et on ne va pas aller loin, rien que de Niamey. <laughs> il ne faut pas qu'on voit des élèves assis par terre. Les téléfilms, on va dire que c'est du sabotage. Non. Les téléfilms, c'est qu'elles voient. Mhm. Donc, il faut prendre des dispositions pour que, au moins, as dit que, parce que le gros scandale, c'est que la capitale même, qu'on vous dise que les élèves sont par terre, il n'y a pas de bas. ou que les élèves sont sur des briques, ou qu'on vous dise que les élèves amènent leur, natte. Ça, c'est à Niamey. Donc, oui, et donc je pense que eh, eh, c'est comme d'habitude, on annonce que tout, est. Mais nous, on attend de voir. Mhm. Mais déjà, comme l'a dit Memoune, c'est un, peu très mal parti parce que les syndicats déjà commencent à grogner, la section collégienne et lycéenne, elle peut paralyser l'école. Hein. Mm. Et donc, elle est déjà en grogne. Donc, ça, veut dire qu'il faut s'attendre à des problèmes. Donc, la sérénité n'a pas, en tout cas, n'est pas au rendez-vous pour le moment. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ousenissa, le gouvernement dit très souvent que l'éducation, en tout cas, fait partie des grandes priorités de, au niveau même de la politique euh, générale euh, au niveau de l'État. Selon vous, comment réussir à relever tous ces défis énumérés par euh, Maïmouna et Gare Vous savez, <clears throat> Michel, en matière d'éducation, comme dans tous les autres secteurs, le problème de ce pays, les gens passent le temps à discourir. C'est pas qu'on ne connaît pas les problèmes, n'est-ce pas C'est bien beau de dire que c'est une priorité. Mais d'accord, vous savez que c'est une priorité. On se donne les moyens que pour que cette priorité-là, on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en investissant dedans. Mais pas venir simplement dans le discours qui dit non, c'est une priorité, l'école c'est une priorité. À compter de la décennie 2000, quand le régime est arrivé, ils ont dit on va finir avec les classes payotes avant la fin du deuxième mandat de président programme spécial. Mais s'il te plaît, ce n'est pas la continuité. Mhm. Est-ce qu'on en a fini avec Bazouma a hérité de ça. Ça signifie quoi Ça signifie qu'on se résume au discours. On vient, on fait le discours pour juste à épater les citoyens, les populations. Parce que moi, j'ai dit, des questions comme l'école, comme la santé, comme le développement, l'agriculture et tout, et tout, c'est des questions d'intérêt, des questions de souveraineté. On n'a pas à attendre que quelqu'un vienne nous aider à faire les choses que nous voulons faire. Mais malheureusement, dans ce pays, on a comme l'impression que les gens démissionnent, on attend les partenaires. Eux-mêmes ont leurs propres problèmes. Est-ce que c'est les partenaires qui vont venir nous construire des classes en matos définitifs on avance comme argument le boom démographique. Mais on planifie. On sait à peu près chaque année combien d'enfants vont arriver au stade d'aller à l'école. C'est compliqué ça. Il y a des statistiques, on peut faire des projections et tout et tout. Est-ce qu'on fait ce travail Les gens se mettent dans leur coin, il y a de l'argent. On, dit dans le budget 78 000 vont être consacrés. N'est-ce pas C'est ça qu'il dit dans le budget, non mmh. N'est-ce pas 78 000 pour la construction des classes, machin. Mais si on y prend garde, une bonne partie va être détournée à d'autres fins. Voilà le mal de ce pays. C'est pour ça, moi, le discours, ça ne me dit plus rien. Vous faites le lien avec la gouvernance. La, la, gouvernance, bien sûr, mhm. mais la gouvernance dans tous les secteurs. pas, non, il ne faut pas aller chercher loin. Hein. Quand c'est mal géré, là. Parce qu'il y a Aujourd'hui, il y en a, c'est pour eux une Ou bien aller faire du n'importe quoi. Construire des classes qui ne vont pas résister pendant 2-3 ans. Alors qu'une classe doit être durable. On a vu des bâtiments qui ont été construits parce qu'on a donné à des entrepreneurs qui ont construit, je ne sais pas, dans la région d'Arletou, d'Agadez, un hôpital qui a été créé avant d'être réceptionné, ça a commencé à tomber. Alors, est-ce que la personne a été sanctionnée Il n'y a pas eu de sanction. Ça veut dire qu'on fait plus de discours, je ne sais pas, pour épater, qu'on agisse et qu'on se dise, voilà ce qu'on veut avoir comme résultat. Ici, pour un peu étendre ça à l'université, on est parti voir un monsieur, il dit c'est une tente marocaine. Première bourrasque, les tentes s'effondrent. Alors, venez dire que voilà, on a mis tel montant. C'est bien beau d'annoncer les chiffres. Mais ce qui est encore plus important, c'est la réalisation. On a dit qu'on ne veut pas de classe en part. Si on s'y était mis depuis là, on aurait pu en finir avec. Aujourd'hui, il y a plus de 36 000 classes en période. Cette année, malheureusement, les enfants vont devoir étudier encore étudier dans les classes en parole à tous les niveaux. C'est-à-dire, même dans les zones euh, un peu, comment dire, euh, comment dire dans l'arrière-pays, il y a des collèges, il y a des lycées où vous allez trouver des classes en période parce que tout simplement, on n'a pas pris les choses en main rapidement pour pouvoir en finir. Parce que ce n'est pas à l'approche de l'année scolaire, euh, de la rentrée scolaire, qu'on va vouloir dire on va finir avec ça, on va finir. Voilà le problème de ce pays, c'est le discours. Les gens se limitent au discours, alors qu'on a besoin d'agir mhm. Il faut pour changer les euh, choses. plus euh, agir. Merci beaucoup pour sauver le système éducatif il faut agir. nigérien. C'est cela qu'il faut. On vous a bien compris. Nous passons en quelques secondes de Gary. En quelques secondes, je, pense quand même. Euh, aux, élèves de la, région de Tilabéry mhm. avec cette rentrée scolaire-là. Mhm. Parce qu'à Tilabéry, dans beaucoup de, en tout cas, de beaucoup de zones, mhm. les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Il y a eu 890 écoles fermées à la date d'août euh, j'ai 2022, pensée, il faut le rappeler. Moi, j'ai une pensée particulière pour ces enfants-là. La rentrée a eu lieu, mais est-ce que la rentrée a eu lieu dans la région de Tilabéry pour ces écoliers-là Qu'est-ce qui se passe donc vraiment, j'ai une pensée émue pour ces gens-là. Je voulais juste finir sur ça. Mhm. Merci, c'est vrai, il y a environ donc, 77 000 euh, euh, personnes, mais l'État a dit qu'il ferait des efforts euh, pour pouvoir leur apporter des solutions alternatives. Merci beaucoup, il faut donc beaucoup agir. C'est ce que Hussein disait en terminant son intervention. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse, consommer local, un levier d'accroissement des investissements productif de développement et d'intégration régionale. C'est le thème retenu pour la troisième édition du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UMOA, euh, couplé à la sixième édition du salon Med in Niger. Pendant tout ce mois d'octobre, plusieurs activités vont être organisées au niveau des différentes villes du pays, dont des conférences publiques, des expositions ventes, des foires, des rues marchandes, des journées gastronomiques, etc a annoncé le ministre nigérien du Commerce Al-Kash Al-Hada au lancement des activités. Maïmoun Gado, quels sont les objectifs visés à travers euh, cet événement L'objectif visé à travers cet événement, mhm vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est consommant nigérien, consommant local, c'est amener les Nigériens, les sensibiliser à aller plus vers la consommation locale euh, et que les, les, produits importés. Mais aujourd'hui, mais ce qu'il faut également souligner et relever ici, c'est qu'il faut d'abord produire beaucoup pour que ça soit suffisant, la production soit suffisante à tous les Nigériens. Parce que quand n'est pas produit beaucoup. Mhm. Moi, je me vois mal aujourd'hui qu'on puisse nous dire consommons nigérien. Il faut donner des exemples, par exemple. Non, quand je dis il faut consommer, il faut produire beaucoup. Dans le domaine de l'alimentation. Dans le domaine de l'alimentation, oui, je parle du domaine de mhm. l'alimentation d'abord. Mhm. Il faut d'abord produire beaucoup pour que ça soit suffisant à tous les Nigériens, pour que tous les Nigériens puissent avoir accès aux produits locaux les mhm. produits qui sont euh, ici, euh, fabriqués ici au Niger. Mhm. Donc, le gros problème aussi, c'est parce qu'il est, il est bien bon aujourd'hui d'aller vers une sensibilisation. Mais est-ce que la sensibilisation concerne uniquement le mois d'octobre mhm. Il faut élargir ces sensibilisations-là. Parce que moi, de vous à moi, en tout cas, euh, quand je vois par exemple les Nigériens aller tout bonnement dans un centre commercial, acheter, par exemple, un petit, une petite chose qui, euh, qui vient de l'extérieur mhm. à des coûts. Et aujourd'hui, qu'on propose, par exemple, euh, un produit made Niger, la personne, à 1000 francs seulement, la personne voit que c'est cher. Mhm. La personne, parce que la personne ne connaît pas en fait la qualité. Et il faut promouvoir la qualité de ce que nous consommons. Mhm. Puisque plus il y a des doutes, sur ce que nous consommons, plus les Nigériens ne vont pas s'intéresser à ça. Il faut essayer de promouvoir tous ces aspects-là et amener ces Nigériens à comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que vous recherchez, tout ce qu'on exporte pour amener ici au Niger, nous avons les produits qu'on peut le faire nous-mêmes ici au Niger. Quand je parle de l'alimentation, je parle également aujourd'hui de mettre en valeur nos habits traditionnels et tout. Et là aussi, c'est un manque. Quand je prends, par exemple, euh, un film ou une série tournée au Burkina Faso, mhm. les acteurs, ceux qui tournent le film, ceux qui sont les acteurs, ils portent les habits de leur localité. Mhm. Mais ici, au Niger, quand on regarde, la majorité de nos séries, ceux qui animent ces séries, ces feuilletons, sont habillés autrement. Donc là aussi, il y a une défaillance. Il y a une défaillance parce qu'il faut mettre en Est-ce qu'il faut se limiter au niveau du cinéma seulement Non, je, ne, je prends, c'est des exemples que je suis en train de prendre. Mm. Il faut mettre en valeur nos propres tenues à nous pour qu'on puisse savoir de quel pays ou de quelle région, mm-hmm. de par, en tout cas, euh, ton style vestimentaire, mm. qu'on sache d'où tu viens. Mm. Quand tu te déplaces, tu vas à l'extérieur, il faut essayer de mettre en valeur ton propre pays. Mhm. Par, par exemple, ta parure, ou par exemple, tout simplement, il y a ce qu'ont euh, les ambassades qui sont dans les pays extérieurs, qui doivent valoriser nos produits ici, qui doivent créer les conditions pour que ceux qui sont à l'extérieur, les ambassades qui sont là-bas, puissent au moins organiser quelques forums et autres pour mettre en valeur ces produits-là. Mais est-ce qu'ils sont combien aujourd'hui ces ambassades qui le font Il y en a moins. Parce que tout simplement, c'est des ambassadeurs qui devraient faire, euh, euh, qui devraient faciliter les choses à l'extérieur, mais qui ne le font pas. Donc ça veut dire qu'on est jusque là, on veut consommer local, mais pour consommer local, comme je l'ai dit, il faut qu'on maximise sur la production. Ça, je parle de l'aliment, euh, l'alimentation agroalimentaire la filière agroalimentaire. Il faut qu'on essaie d'améliorer. Ça ne marche pas trop quand je vois des engouements au niveau donc, des magasins, des supermarchés mhm. autres là, où il y a des files d'attente même là-bas, où c'est bourré. Et mhm. quand tu, observes de l'autre côté une femme transformatrice qui a ses produits, mhm. euh, vendu, les, produits locaux, et les produits locaux, et qui se retrouve aujourd'hui sans euh, grand monde. Même quand vous partez dans les foires, il suffit de voir les foires. Qu'est-ce qui s'intéresse beaucoup à ces aliments, à ces produits hmm. Ils sont moins par rapport, en tout cas, à ce que vous pensez. Hmm. Ça veut dire que sur les 21 millions ou 22 millions, presque 22 millions de population, un peu plus, d'ailleurs des 22 hmm. millions, mais est-ce qu'on a à peu près même les 20% qui consomment en tout cas local Merci beaucoup. Et quand vous regardez le riz du Niger, on, nous a toujours dit de consommer le riz du Niger. Mais quand ça finit, est-ce que c'est facile de retrouver le riz du Niger hum. C'est ça le nœud du problème. Oui. Quand ça finit, est-ce que. Est-ce que, est que, est que la production est suffisante, C'est ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. Donc il faut d'abord aller vers une production qui peut suffire à tous les Nigériens. C'est vrai, parfois il y en a qui trouvent euh, cela paradoxal que le riz, par exemple, produit au Niger soit plus coûteux que le riz qui est importé. Gary Amadou, quelle explication euh, par rapport euh, au concept de consommer local Quels sont les enjeux lorsque tous les Nigériens arrivent à consommer local Elle a parlé par exemple de l'habillement. On voit que bon, quand il y a des cérémonies de mariage, euh, on suit ça. J'aimerais d'abord commencer par même euh, le, aborder le sujet de la question du riz du Niger. Vous savez, le riz du Niger, on dit qu'il est, il est plus cher que les autres riz. Mm-hmm. Mais pourtant, il est très bien consommé. Mais le problème, quand ils l'ont dit, c'est qu'il y a des ruptures de stock. Mm-hmm. Les gens veulent manger le riz du Niger, malgré qu'il soit le plus cher. Mais il n'y en a pas à un moment. Mais pourquoi il n'y en a pas suffisamment mais Parce que justement, c'est ce que a dit. Alors que nous avons 550 km. oui, mais euh, écoute, c'est ça le problème. C'est-à-dire, pour qu'on puisse avoir le consommé local, mhm. et comme Mémoune l'a dit, elle a si bien dit, il faut d'abord une production en masse, mhm. en quantité suffisante. Parce que quand il n'y a pas une, production en quantité suffisante, ça devient une production pour une sorte d'élite. Mhm. Est-ce que vous comprenez Même les transformatrices, là, mais, <clears throat> elles font de la transformation, mais je suis sûr que si 1000 personnes viennent à la boutique, elle ne peut pas. Mm-hmm. Elle n'a pas pour 1000 personnes. Est-ce que vous comprenez Et donc, ce qui fait que c'est difficile. Aujourd'hui, même dans les villages, vous avez les arômes industriels. Mm-hmm. Je ne vais pas citer de nom, mais <laughs> les arômes, vous connaissez de quoi je parle. Mm, dans le village le plus reculé, mm-hmm. les villageois maintenant sont habitués, tant qu'il n'y a pas l'arôme là, ils vont dire Ah, c'est pas bon. Mm. Pourtant, nous, quand on, était, quand on était tout petit, on a mangé les sauces sans arôme. C'est maintenant qu'on a connu les arômes. Vous comprenez Mais alors, donc, pour qu'il y ait une sorte euh, de, mouvement vers le consommé local, il faut d'abord que l'État d'abord puisse aider ceux qui sont en train de faire, par exemple, de l'agroalimentaire là, qu'on puisse les aider à faire des productions en grande quantité mmh. et en qualité. Parce que si il n'y a pas une grande production, ça va être cher. Mmh. Mais quand c'est en grande quantité, c'est la loi du marché, les prix vont diminuer, elles seront accessibles. Mm. Est-ce que vous comprenez Donc c'est à l'État d'accompagner. Il faut accompagner ces producteurs-là. Mm. Moi, récemment, récemment comme je suis dans un réseau de, journalistes qui traitent des questions de l'agriculture au sein de, l'espace IOMOA, mm. on m'a demandé d'envoyer les productrices ici au Niger, les productrices locales qui sont en train de produire des produits alimentaires et de le vendre pour qu'on puisse leur faire leur promotion. J'ai envoyé plus d'une dizaine. Dans une revue sous-régionale, j'ai envoyé. Mm-hmm. Je leur ai demandé, envoyez-moi vos images de vos produits, tout. J'ai pris, j'ai envoyé. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais malheureusement, j'ai dit, c'est des produits qui sont fabriqués, mais qui, ne sont pas en C'est devenu presque des produits de luxe. Hum. Est-ce que vous comprenez Aujourd'hui, on préfère, par exemple, pour les jus, partir prendre, les, je ne vais pas citer de nom, hum, oui, les canettes, les, sans système, mais, hum. euh, ou bien importer même de, l'extérieur, sous le soleil, on amène. Les gens préfèrent consommer ça plutôt que des produits qui sont là fabriqués avec. Et les devises du pays quittent naturellement. Mais bien sûr, bien sûr. Quand il y a un mariage, un baptême, il y a au moins 25, 50 000. Au lieu de faire, qui au lieu de faire, au lieu de fabriquer par exemple du, mm. du, jus de gingembre, avec mm. du citron et tout, tout, et puis mélanger, mettre des bouteilles. Bah, non, ça on préfère... bénéfique pour la population qui font la production. On préfère partir commander quelque chose qui est de très mauvaise qualité, peut-être aussi même pour la santé, mm. pour l'amener. Donc c'est un problème réel. mais ce n'est pas qu'au niveau de l'alimentaire, parce que quand on dit consommer local, ça veut dire que... Il y a beaucoup de choses. Il y a l'habillement. Oui, bien sûr. Il y a il y a l'art et tout, tout, tout. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas au Burkina, dès que tu vas au Burkina, qu'est-ce que tu vois C'est les habits comme ceux que tu portes, comme ceux que Hussein porte. C'est ça qu'on voit. Le façon d'Anfani, on le voit. Dès que tu parles, ils valorisent leurs produits. Est-ce que vous comprenez mhm. Donc, vous le, même, vous le voyez très bien. mais alors, au Niger, eh, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. On n'a pas trouvé d'abord le style vestimentaire typiquement nigérien pour le moment, pour le promouvoir. Mhm. Parce qu'on fait, par exemple, de l'habillement. Quand on met le, le bazin, c'est l'habillement euh, pratiquement musulman. Quoi. Donc, euh, mais l'habillement typique traditionnel du Niger, là, on n'en fait pas la promotion. Mhm. heureusement, ces derniers temps, je vois une, sorte de tissu qui, qui, qui, qui, qui ressurgit avec des motifs nigériens. Mhm. Les gens, il y, y a, un amour pour ça, un attrait pour ça. C'est extrêmement important. Mais il faut vraiment faire en sorte que euh, le label Niger là, mhm. qu'on puisse le consommer, qu'on puisse le valoriser. Mais là, c'est un travail au niveau de l'État qui doit appuyer, je dis bien, les producteurs dans tous les domaines, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la production culturelle, mhm. dans le domaine de l'audiovisuel, etc., etc. Faire en sorte que vraiment on puisse avoir des, produits qui seront accessibles et qui vont être à la portée de tous mhm. et à moindre coût. Merci beaucoup, Gagé. Hussein Issa sur ce plateau, même, on n'est pas habillé consommant local. Ah, Michel, vous êtes hein. Il faut défendre le panafricanisme, <laughs> c'est une coïncidence. Moi, je suis habillé en occidental. Moi, j'ai mon Mais on est en, Mali. En, <laughs> Donc c'est un peu, c'est triste quand même. Le, Niger ne se retrouve pas. Voilà. <laughs> Merci beaucoup, Nissa. Quels sont les enjeux J'ai pensé à ça avant l'enregistrement de ce forum. J'ai dit, je vais porter ça quand même, parce que c'est le panafricanisme également. Quand on porte euh, un habit euh, qu'on retrouve dans un autre pays, puisqu'on ne le porte pas tous les jours. <laughs> <laughs> oui, ça. quels sont les enjeux euh, de votre point de vue et comment réussir véritablement. C'est vrai, il explique que vous et moi, par exemple, on ne porte pas un Nigérien. Euh, comment faire pour qu'on puisse réellement être au quotidien dans cette euh, consommation locale à tous les niveaux Michel, je pense que comme dit hein. <laughs> il ne faut pas tourner autour du pot. Comment on peut consommer local quand on ne produit rien Ou on produit en infime quantité S'il te plaît. On est toujours dans des situations de déficit. Souvent, le mille que tu manges là, c'est du mille qui est importé du Nigeria le maïs que tu manges là, c'est du maïs qui vient du Nigeria. Hum. N'est-ce pas N'est-ce pas le, riz, en tonnage. S'il n'y a pas le riz qui vient de l'Indonésie, de un peu partout là, tu vas faire des semaines sans manger du riz. <laughs> N'est-ce pas Parce que justement, il y a des ruptures. Hum. La quantité qu'on produit, hum. la quantité là ne peut pas permettre de couvrir. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas consommer local. N'est-ce pas Ce n'est pas à cause de la cherté, mais c'est parce qu'il n'y en a pas les dépôts de vente au niveau de comment dire, Nigeria, là, mhm. vous allez acheter par exemple cette semaine. Dans deux semaines, vous allez retourner pour demander, on va vous dire, il n'y en a pas. Alors vous allez faire quoi Vous êtes obligé de vous rabattre sur ce qui est importé. N'est-ce pas mhm. C'est malheureusement la situation telle qu'elle se présente. Sinon, les gens ont de plus en plus tendance à vouloir consommer mhm. localement ce qui est produit localement. Tu t'imagines même le niébé qu'on consomme là, souvent ça vient en quantité, ça vient de ces pays-là. Mhm. Un peu du Burkina, un peu de... Parce qu'ils font en quantité importante. Il faut d'abord accroître la production agricole. Mhm. C'est ça le premier enjeu, n'est-ce pas Accroître la production. Mais bien sûr oui, peut-être dans les différents <clears throat> autres secteurs. Maintenant, au niveau du vestimentaire, est-ce qu'on a une seule usine de textile aujourd'hui alors Alors, c'est fermé. N'est-ce pas La brasserie, l'unique, c'est fermé. La STA, qui produit des produits pour euh, le comment euh, les enfants, ça aussi, ça se débat dans des difficultés. Mm. Et on va dire consommer local. Alors, consommer local, c'est la bouche qui va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau Parce que les devises quittent le pays et c'est ça le problème. Et ça cause C'est pas hmm. compliqué, on se contente pas. Quand on voit des gens qui achètent des basins, on dit Gesner, 50 000. Mais parce que les gens vont aller. 30 000 minimum. Mais alors. est-ce que parfois il faut. C'est le normal que le Niger n'est pas une compagnie de textile. Hmm. L'Unitex là qu'on a connu là, voilà. Hmm. jusqu'à Unitex, il n'y a rien aujourd'hui. Est-ce que c'est normal alors, quand l'État a fermé les yeux, voit ces sociétés là fermées, n'est-ce pas on ne trouve même pas des partenaires qui vont venir dans le cadre du partenariat pour pouvoir les relancer. Quand je prends par exemple la Branigère qui nous faisait notre Coca-Cola, notre, nos machins, ça a fermé. L'État a fermé les yeux. Alors, c'est naturel, c'est normal que les, les, autres pays nous inondent avec n'importe quel type de boisson. Mhm. Parce que les gens, c'est quand même, ils savent que c'est demandé. Ils vont venir nous inonder. Mhm. Mais alors, à qui la faute Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas les arômes là. Parce qu'il y a des arômes traditionnels comme le, ah sombala, comme, mm-hmm. que les gens mettaient dans la sauce, que les gens mettent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien manger ces choses-là que de manger des produits qui nous viennent. On ne sait même pas c'est mm-hmm. fabriqué à base de quoi. Mm-hmm. Mais quand l'État ne met pas l'accent, ça ne peut pas avancer. Bien évidemment, les gens vont se retourner. On est en train de nous inonder. C'est seulement dans notre pays que n'importe quoi rentre. Aujourd'hui, il y a des produits qui rentrent. Vous ne savez même pas si c'est des produits parce que je ne pense même pas qu'il y a un contrôle de qualité qui est effectué aujourd'hui par rapport à certains produits qui rentrent. Des produits alimentaires, hein. Même pas des, vestimentaires, des produits alimentaires qui rentrent. Quiconque va de l'autre côté, il trouve c'est moins cher, il vient, il sait qu'il peut vendre au Niger, il va faire rentrer ça au Niger. Alors, ça pose même problème de santé publique aujourd'hui, le problème de l'alimentation. Alors, à partir de ce moment, moi, je pense qu'il ne faut pas incriminer les populations, il faut plus s'en prendre à, à l'État, qui ne peut pas créer les conditions de protectionnisme. Le protectionnisme, le manque de protectionnisme, c'est ça qui a tué la branigère, n'est-ce pas Parce que les gens sont venus s'implanter, importer des boissons, n'importe quoi. ici, on a laissé faire. Et aujourd'hui, on s'est retrouve dans une situation où ça a créé encore euh, euh, de la sous-région. Hmm. Euh, avec plein de. Ah la avec plein de, gens sans emploi. Alors, pourquoi s'en prendre aux citoyens hmm. les gens veulent bien consommer local, mais le, le tout n'est pas de le dire comme ça, mais encore faudrait-il créer les conditions pour que les gens puissent consommer local. Ce n'est pas que les gens se détournent de leurs produits. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent afficher, montrer ce qui s'est fait chez eux mais il faut créer les conditions. Quand les choses se font, il faut protéger. Aujourd'hui, les Kilchi, là, c'est quand même un label Niger Mais aujourd'hui, les Kilchi, vous allez un peu euh, partout dans la sous-région, vous allez mm-hmm. trouver les Kilchi. C'est tellement. Mais alors Et dès qu'on ah. trouve ça, on dit, ah, c'est le Niger. ça, vient du Niger. ça vient du Niger. Alors, qu'est-ce qui fait ça Parce qu'il n'y a pas de protectionnisme, il n'y a pas d'encouragement. Mm-hmm. Ceux qui veulent investir, au bout de deux ans, trois ans, avec les taxes, impôts et tout, et tout, tu mm-hmm. tombes. Et tu es obligé d'abandonner. Merci beaucoup. Il faut donc des gros efforts oui. par exemple, concernant le, côté vestimentaire, vous savez, la dernière fois, je voyais un petit, euh, euh, une publication euh, sur un site économique. On me dit que le Mali est le premier producteur africain de, coton. De coton. De coton. Ah Mais alors, voilà un pays qui a le même climat que le Niger. Au Burkina, on produit du coton. Au Niger, on ne produit pas du coton. On a abandonné. Pourquoi pourquoi on ne fait pas la promotion de la production du coton pour pouvoir avoir des fibres mhm. qui puissent permettre de construire des de, parce que les paysans n'ont pas accès à certains produits et ça les décourage. C'est une politique. Ça, souci. La politique mhm. agricole là, c'est une politique. C'est l'État qui doit les C'est l'État qui doit faire ça. Mhm. faisons en sorte qu'on puisse produire le coton aussi. Et transformer le coton sur place. parce que si on a le coton, on aura forcément besoin d'une usine de textile qui va s'implanter. Et donc, c'est deux choses qui se suivent. Et bah, pourquoi ça marche là-bas, ça ne marche pas ici hum, hum. C'est tout simplement, il n'y a pas de politique. Il ne faut même pas te limiter. Faut hein. même pas te limiter. Moi, je, je, je, me projette, euh, comment dire, dans le temps. Mhm il y avait une huilerie mhm. sur la base de l'arachide. La sonara a été créée sur la base de la commercialisation. mais aussi, alors, mais tout ça là, ah, c'est parce qu'il y a eu un délaissement que bon, les populations, les, paysans, bien évidemment, parce qu'on a dit non, c'est les cultures, euh, c'est rallié. merci beaucoup. nous allons passer. Mais que non, le problème, c'est que c'est pas suffisant. On est au milieu de prendre des huiles dans des bidons de 20 litres, on ne sait même pas c'est quel type Merci Et c'est ça que les gens mangent, ils tombent malades. Euh, beaucoup de choses pour arriver à faire cette euh, promotion du consommer local il faut dire que la décision au niveau de l'UMOA avait été prise euh, en octobre 2019 par le ministre en charge du commerce euh, des pays de l'UMOA qui estime en effet qu'au niveau de chaque pays, si les citoyens essayent de consommer local, ça peut être producteur euh, de devises, ça peut permettre donc au monde rural de pouvoir avoir accès à beaucoup de ressources financières. Merci beaucoup. Nous abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse euh, de ce soir. Retour euh, au calme lundi au Burkina après trois jours de crise euh, politico-militaire qui a abouti dimanche à la démission du lieutenant-colonel Henri Paul Sandaogo Damiba au profit du capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort euh, du Burkina Faso. Il a 34 ans. Ce nouvel homme fort a eu une séance de travail aussitôt après avec euh, les secrétaires euh, généraux des ministères qui assurent l'expédition des affaires courantes. Maimoun Diado, que fait-il comprendre de ce coup d'État du 30 septembre 2022 au Burkina Faso, un coup d'État, il faut le dire, euh, qui arrive après celui qui avait été donc euh, perpétré en janvier 2022 et qui avait occasionné la chute de l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kabore. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que on a comme l'impression que en Afrique, ou bien quand je regarde l'Afrique de l'Ouest, c'est des coups d'État. Mmh. Déjà que nous avons les coups d'État euh, en Guinée, euh, au niveau du Mali, mmh. le Burkina Faso, et ce sont les mêmes qui ont fait renverser l'ancien président, mmh. qui l'ont placé et qui reviennent aujourd'hui encore le déloger de la présidence pour motif qu'il n'a pas suivi l'agenda à lui confier au moment où il a été placé à la tête. Mais, qu'est-ce qui a été à la base de ça Est-ce une surprise selon vous En fait, c'est ça, ça, se chuchotait déjà. Mm-hmm. Ah On savait ça se chuchotait parce que mm-hmm. quand les choses commencent à bouger. il y a eu un incident à Geskende. Voilà, mm-hmm. avec euh, l'attaque du convoi de Djibo, il fallait s'attendre à, un événement comme ça et un soulèvement également de la population tout cela, c'était vraiment, euh, on, savait mhm. qu'on allait peut-être arriver à ça. Bon, là, ce n'est pas le problème. Maintenant, il y a eu un coup d'État. Mais est-ce que ça va changer grand-chose Oui, puisque s'il faut faire un coup d'État, parce que vous pensez que l'autre a eu son agenda, il n'a pas pu respecter son agenda. Mhm. Face à l'insécurité, par exemple, quand je prends la situation de l'insécurité. Mais est-ce que lui, celui-là qui vient d'arriver, est-ce qu'il est à mesure de ramener la sécurité à tout le peuple burkinabé mm-hmm. Et loin du peuple burkinabé, <laughs> le pays du Sahel, mm-hmm. puisque nous, nous sommes confrontés. C'est la frontière qui nous sépare du Burkina Faso aujourd'hui, mm-hmm. c'est impraticable. Ça veut dire qu'on ne peut pas se hasarder aujourd'hui, un Nigérien ne peut pas se hasarder aujourd'hui à aller vers le Burkina Faso par voie terrestre. C'est pas possible. Oui, il y a ceux qui le font, mais ils prennent le risque. le risque. Merci, Mamoui Giado. Mais je n'ai pas encore fini. Mhm. Mais est-ce que ça peut résoudre tous ces problèmes-là Si ça ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là, je ne vois pas dans ce cas, il faut qu'on s'attende encore à un autre coup d'État. Mhm. Est-ce que c'est comme ça Parce qu'à ce niveau, il faut rappeler justement que ah. celui qui a fait partir d'Amiba, c'est toujours le camp présidentielle, c'est des militaires de son propre camp. C'est des militaires de son propre camp, c'est ce que je suis C'était donc un chef à la tête de l'État, c'était le chef du régiment dit qu'ils lui ont confié mhm. un agenda. Il n'a pas pu, en tout cas, suivre mhm. textuellement ce qu'on lui a dit de faire. Maintenant, celui-là qui est là, donc ça veut dire que si lui aussi, dans quelques mois, il n'arrive pas à régler cette situation d'insécurité, ça veut dire qu'il y aura un autre coup d'État. Et ça cette fois Vous craignez une instabilité. c'est ça. Mhm, perpétuelle à ce niveau. C'est une instabilité. Est-ce que vous avez ce même point de vue euh, ah, Puisqu'à ce niveau, c'est vrai, c'est le camp présidentiel que des, militaires qui reviennent, qui disent le patron n'a pas bien fait ce travail. c'est la même junte. Mhm. Le mouvement patriotique pour le salut et la, et, le, quoi, la République, je crois. Le, le, MPSR. le euh, c'est le, même MPSR. c'est mhm, juste une révolution de palais. Moi, je suis foncièrement contre les coups d'État. Moi, j'ai condamné celui du Mali. Je condamnais celui de Guinée, mhm. j'ai condamné celui de Damiba, je condamne celui-là. Mais le plus important, c'est quoi Comme l'a dit Mimouna, vous savez, on a fait un coup d'État à Rock, on dit Ah, Rock n'arrive pas à gérer la question de la sécurité. Mhm. Damiba a dit Non, non, tu es incapable, tu ne peux pas. Donc il est venu. des attaques, des attaques jusqu'à celle qui a eu lieu, mhm. Gaskindé. Et puis Djibo, l'attaque du convoi qui a amené des vivres. Pop, les terroristes ont tout détruit. Donc maintenant, toi, tu dis Non, oui, euh, Damiba a échoué, on le remplace. Damiba dit d'accord. Vous me remplacez, j'accepte. Mais voilà mes conditions. Ramener la sécurité, mais n'est pas une partie, ça sera pas facile. Mhm. Moi, j'ai déjà vu les premières mesures. Il dit oui, oui, s'il y a des véhicules au niveau des ministères qui sont en panne, on ne fait pas la guerre comme ça. Hein. J'ai comme l'impression que ça tâtonne, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que le petit. Mais on a l'impression quand même qu'il y a eu des applaudissements et non, l'être humain vit d'espoir. Mhm. Vous savez, le peuple burkinabé est en train de souffrir. Mhm. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, ils, préfèrent s'accrocher à cette branche-là, mm. la branche de l'espoir là. Quand on a une difficulté là, dès qu'on on s'accroche, c'est comme ça, que c'est humain. Mm. Vous comprenez Parce qu'ils espèrent, ils ont fait la même chose quand Damiba est venu. Bien sûr. Et <laughs> donc voilà. Et ce sont les mêmes qui sont venus pour applaudir Traoré. Mm. Et ce sont les mêmes. Quand Traoré va être descendu, vous allez voir les mêmes gens. Si vous prêtez attention sur les vidéos, vous avez les mêmes visages qui vont venir applaudir. Parce que quand un peuple est, il, a, il, a tendance à vouloir s'accrocher à des, à des espoirs. Mm. Mais les coups d'État ne règlent pas le problème. Et puis, le plus important, c'est quoi Ce que ce militaire a pris le pouvoir, ce qui a un calendrier de transition, puisque c'est la même junte, mm-hmm. qui doit être respectée. Pour qu'il puisse euh, justement renoncer, selon lui, il y a la question du respect des attentes de la CDAO. Et, parmi ces attentes, il y a, lieu, il y a la question de passage euh, ou de la transmission du pouvoir euh, au civil avant juillet 2024. Le petit est-ce qu'il sera à la hauteur de toutes Mais ces il sera à la hauteur puisque c'est non, c'est le même système, hein. Mhm. c'est le même régime, c'est la même junte. Donc le, le, chronogramme est là et le petit semble animé de très bonne volonté. Merci, très bonne Parce volonté. n'est pas en train de. Avec cette très bonne volonté. non, euh, attends, il pas dit... le mhm. petit n'est pas en train d'aller à, vouloir ramer à contre-courant mhm. la dynamique un petit qui est très intelligent. Oui, Hussein ça a terminé rapidement. Quelles doivent être les priorités aujourd'hui d'Ibrahim Traoré, euh, rapidement, pour pouvoir euh, tourner cette page C'est d'abord la sécurité. La sécurité. Dans, mhm. dans un pays, il y a pratiquement et presque la moitié du territoire qui n'est plus contrôlé par l'État mhm. central. Avec environ 2 millions de déplacés voilà, sur l'ensemble du pays. C'est très grave la situation mhm. au Burkina. Bon, il y a une zone qui est carrément coupée, qui, qui, comment dire, qui est assiégée, Jibo, mhm. mhm. là, une province. Bon, j'ai dit, c'est extrêmement difficile ce qui se passe, ce qui est en train de se passer au, Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a espoir avec l'arrivée Oui, je pense qu'il y, a espoir, il y a espoir, parce que le problème, c'est que, en réalité, c'est que c'est, comme avait dit, et même chez nous, un peu, hein, on peut expliquer, hmm. c'est que les gens ont laissé faire. Parce que face à des situations comme ça, il faut être dans l'offensive pendant longtemps, on est resté dans la défensive. On attend, il y a une attaque, les gens font la poursuite. Alors qu'on peut aller les chercher et les, détruire. Est-ce qu'on fait ça Malheureusement, aujourd'hui, je pense que. Ça, c'est l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'il y a d'autres priorités Puisque il ne nous reste qu'une poignée de moi, Moi, je dis la priorité, il faut mettre les choses en place d'abord mhm. avant d'aller à des élections. Parce que le problème du, protocole de la CEDAO, c'est un protocole où on ne respecte que les élections. Il n'y a que les élections qui sont en vue, mais la mhm. bonne gouvernance. Parce que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, il faut s'attendre à des troubles dans nos pays. Mhm. N'est-ce pas Parce que les gens utilisent le canal de la démocratie pour arriver au pouvoir au lieu de, comme avait dit, d'apporter des, des, solutions aux, préoccupations des populations. Les gens préfèrent plutôt chercher à accumuler, mhm. à s'enrichir avec ceux, là-bas des deniers publics. Et c'est ça qui crée des frustrations parce que pendant qu'une minorité est en train de s'enrichir, la masse, la population est en train de s'appauvrir. Et il faut s'attendre à ce que ça implose un jour. Donc il faut la bonne gouvernance. Il faut créer les conditions. Et moi, c'est ça je condamne la CEDAO. Parce mhm. que la CEDAO ferme les yeux. Mhm. Quand il y a la mal gouvernance dans un pays, au lieu d'interpeller, souvent ils encouragent même, ou ils se cachent derrière le chef d'État qui est au top de cette mal gouvernance-là, mhm. au lieu de l'interpeller. Parce que quand c'est comme une. Euh, comme avait dit. On vous a euh, compris, au ça. La CDAO a mieux à ah, faire en euh, provenant prévenant. Ah, ah, à travers donc euh, des combats pour lutter donc contre la malgouvernance. C'est ça, c'est l'idée que vous soutenez. Ne vous attendez pas parce que de plus en plus vous voyez. les gens sont en train de les soldats n'ont plus peur des sanctions. On vous a compris, Hussein Issa. Merci beaucoup et chers euh, auditeurs euh, et téléspectateurs des programmes du studio Kalango. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous disons merci à nos trois invités, Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Gaga Modou, journaliste euh, au quotidien La Nation, Hussein Issa, journaliste euh, indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs euh, et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalango à la modération du forum de la presse euh, de ce soir. Euh, je suis Michel Deji. L'équipe euh, technique est composée de Amina Hassan et Laolissa. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.